Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir à la bonne heure. Il est 20h, tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, parlons du porte-parole du calife général des Mourites, Serine Bassirou Abdoukhadr Mbake, qui a annoncé, qui a avancé en nette catégorique face à un éventuel projet de réouverture des écoles publiques de langue française à Touba. Une volonté de feu une salut que l'on veut faire respecter selon lui. Vous suivrez sa réaction dans cette nouvelle édition du soir. Et puis à Ndiakhat, la population reste toujours remontée contre l'usine de, de recyclage de plomb le collectif des populations qui lutte pour la fermeture de cette usine a profiter d'un atelier organisé par le CRADEX euh, pour réitérer leurs doléances. Vous suivrez leurs réactions dans ce journal. Et puis pour apporter leur soutien à Omar euh, plus connu sous le nom de Fonike Mang et Mamadou Biloba, euh, le mouvement Tournons la page a organisé une conférence de presse pour exiger qu'un signe de vie ainsi euh, que leur libération. Nous y reviendrons plus amplement dans cette nouvelle édition du soir. Mesdames et messieurs, c'était les titres dans un instant, le développement. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Je vous l'annonce à l'entame du journal. Réinstallation de l'école française à Touba, Serigne Bassabdou Khadr Mbake. Euh, Dignette, le porte euh, le porte-parole du khalife général des Mourides, a catégoriquement rejeté toute possibilité de réouverture

Keera Mbay ñii di jàngi Mbàkke ak cosaan yaag yam am lépp ma ne leen école dëkk bi école français sëriñ bi téréwu ko suñ saali waxoon ko nee woon na ambassadeur France bi boo génnee sama kër bala ngaa bala ngaa doon ay maître école français kon sëriñ bi téréwu ko kenn mosu leen dégg sëriñ bi tere ko école publique gi nag bañ ko fa tabaxee sëñ Saliou ko tëjlu sëñ Saliou ko tëjlu ba mu ko tëjloo it lam ca waxoon leer na dane leen woon bu ngeen waree ci réew mi bari na lool ay dëkk yoo xam ne amuñu école ña nga yuuxu di ci léeg sax ma dégg nit ñi di wax ñu bare ma ko wax da war a bàyyi nit ñi état bi tabax fi ay école ci biir dëkk bi. concernant l'école française. les enfants quittent ici pour aller étudier à Maké ou ailleurs. Nous ne sommes pas contre. Mais quant à l'ouverture d'une école publique française à Touba, c'est Saliou Salimbake qui l'avait interdit. Il était clair avec les autorités d'alors en les demandant d'aller installer ces écoles-là ailleurs dans les localités qui les demandent au lieu de venir vouloir les construire ici à Touba. Pendant le règne de Serigne Bara, le ministre Khalidou Diallo l'avait proposé au Khalif qui m'avait soumis la question. Je lui ai répondu que c'est Serigne Salim Baké qui avait ordonné la fermeture des écoles françaises à Touba. Si vous vous rappelez, c'est moi qui avais prononcé le discours interdisant l'ouverture des écoles françaises dans cette ville. Pour être clair, on ne veut pas d'école française à Touba. Ici, nous voulons des dara. Prise dans les médias, la coordination des associations de presse a sorti un communiqué ce mardi euh, pour dénoncer les difficiles conditions des médias au Sénégal. Beaucoup d'entreprises de presse risque de sombrer si l'on n'y prend pas garde. Selon Mamadou Ibrakan. cette pression multiforme exercée par l'État du Sénégal euh, sur les entreprises de presse se traduit malheureusement par la fermeture euh, d'entreprises de presse et par la perte subite de dizaines euh, d'emplois. Le directeur général de Stade et de Sunulambo relevant, revenant ainsi sur la suspension deux parutions des quotidiens euh, dénoncent ce qu'il appelle une volonté manifeste de l'État euh, d'asphyxier la presse sénégalaise. Mamoudou Ibrakan est au micro de La presse est en situation de faillite depuis le Covid-19. Le Covid-19, la presse a enregistré une baisse de ses recettes de plus de 70% n'importe quel secteur qui aurait de telles pertes serait simplement en faillite, et c'est le cas pour la presse. Euh, euh, durant cette période de Covid-19, euh, l'État du Sénégal a pris des mesures d'accompagnement des secteurs en difficulté avec un fonds qu'on appelle le fonds des 1000 milliards la presse n'a pas reçu un sou de ces 1000 milliards. Parce que la presse de Macky à Diomaye n'est pas considérée comme un secteur prioritaire, n'est pas considérée comme un secteur névralgique. Euh, et cette situation-là fait que euh, nous sommes dans l'incapacité euh, de payer nos charges euh, et c'est ça qui a motivé le plaidoyer que nous avons fait au président sortant pour un effacement fiscal, pour que la presse puisse un peu donc respirer. Nous envisageons, euh, quel que soit le nouveau régime en place, de lui proposer un plan de restructuration de la presse pour que la presse ne tombe pas dans la crise, parce que si elle tombe dans la crise, c'est le Sénégal qui tombe dans la crise. Malheureusement, euh, nous avons approché le nouveau régime. Nous lui avons fait des demandes d'audience. Nous avons même été obligés euh, d'écrire une lettre ouverte quand il a dit, euh, malgré son mutisme sur nos demandes d'audience, quand il a dit qu'il était prêt à accepter, à recevoir des propositions de la part du secteur des médias, nous avons automatiquement réagi. Donc, le refus de moratoire fait que euh, il y a eu euh, le blocage des comptes bancaires euh, des entreprises de presse et même certaines entreprises de presse ont, font l'objet de procédures de saisie. ok Saisie du matériel, du mobilier, etc. etc. dans le même temps, <clears throat> il y a l'annulation de manière unilatérale hein, des contrats publicitaires qui ont été signés entre les différents démembrements de l'État et les entreprises de presse euh, de manière unilatérale. Si on veut rester dans le cadre d'un État de droit, euh, une partie d'un contrat ne peut pas décider de manière unilatérale de rompre le contrat. Euh, ça aussi, ça dénote un peu de la volonté politique euh, du nouveau régime d'asphyxier la, presse. Euh, il y a une société qui est un fleuron de la presse sénégalaise, la société ESCAF, qui a été la seule entreprise nationale à réaliser la TNT en Afrique sur les 54 États. Et puis parlons de protection de l'environnement pour mieux prévenir euh, sur les impacts des plombs euh, sur l'environnement et la santé au Sénégal. Le Centre de recherche et d'action sur les Trois économiques, euh, sociaux et culturels, le CRADESC, a organisé un atelier de renforcement de capacités ce jeudi 8 août, avec les porteurs de voix, à savoir les journalistes et les influenceurs, euh, Pateye, qui est un des partenaires du CRADESC, et l'enseignant-chercheur euh, Momodou Saleh Sané nous font l'économie de cette rencontre. Aïssa Touba a représenté Global Télévision. Le plomb, ce sont ce qu'on appelle les substances toxiques nocives, euh, également appelées métaux lourds euh, les scientifiques euh, les appellent également éléments traces métalliques. Donc par rapport à la santé des populations, donc, il y a des seuils de toxicité. Donc c'est des substances qui se bioaccumulent et biopersistent dans l'environnement, ce qui fait que cela suit la chaîne alimentaire. Donc tous les éléments de, de la chaîne alimentaire, que ce soit les oiseaux, que ce soit les substances maraîchères, donc sont contaminés par ces métaux. Et lorsque ces métaux sont consommés par l'être humain, ces euh, métaux-là sont bioaccumulés dans l'organisme. Et chaque seuil dépassé, 200 microgrammes, 300 microgrammes, 400 microgrammes, a un effet sur l'organisme. Mais le danger du plomb euh, se situe plus sur l'impact que cela au niveau des enfants, avec une maladie très connue par les experts de la santé qui s'appelle saturnisme, qui a entraîné la mort de beaucoup d'enfants il y a quelques années de cela, dans la zone de Tiaroy euh, à Au niveau de quelle communauté, il y a une usine qu'on appelle l'usine Ganesha, hein, qui s'est installée depuis quelques années et qui est en train de dégrader l'environnement, fortement l'environnement. Et euh, à l'époque, les autorités ministérielles avaient, euh, n'est-ce pas, avaient euh, commandité une enquête, n'est-ce pas, un contrôle qui a eu lieu. Et l'enquête a révélé qu'il y a une pollution d'exagérer euh, de l'environnement au niveau de la zone et qui connaît la zone de Pout et autres, c'est que c'est une zone vraiment euh, maraîchère et c'est une zone également pastorale. Et puis euh, on s'est rendu compte qu'après enquête, que l'étude d'impact environnemental même n'avait pas été précédée ou l'autorisation n'a pas été accompagnée de cette, de, cette étude-là. En fait, ce que veut le CRADEX et les communautés, c'est que ces entreprises-là, et dans l'arrêté de fermeture du ministre, il a été très clairement dit en ce qui concerne, n'est-ce pas, euh, l'entreprise Ganesha et également en ce qui concerne Sanyara, qu'il y a, n'est-ce pas, par rapport à la sensibilité de la zone, il est fondamental qu'il y ait la délocalisation de ces entreprises-là ou, tout, tout, bonnement la fermeture de ces entreprises-là. Et après la fermeture, il faut qu'il y ait un démantèlement parce que la zone est déjà une zone qui est vraiment polluée. Mm-hmm. Puis restons dans cet atelier, le combat contre l'implantation de l'usine de recyclage de plomb à Djahat dans la commune, commune de Kormoussa ne faiblit pas. Euh, le collectif regroupant les habitants de ce village ont profité de cet atelier euh, organisé par le CRADEX euh, pour réitérer leurs exigences, c'est-à-dire la fermeture de l'usine Aïsatoba pour plus de détails. L'installation de l'usine Ganesha, spécialisée dans le recyclage de plomb à Kermousso, Ndjahat et ses environs, est une menace et un danger permanent sur la vie des populations. C'est ce que révèle le porte-parole de leur collectif. Oui, nous vivons une situation extrêmement difficile. Nous, la population de Ndjahat, de Kermousso, de Poutre et environ, euh, parce qu'on a constaté que l'usine de recyclage de batteries à plomb installée depuis plusieurs années ici à Ndiakhat est en train de causer euh, certains dommages à la population, plus particulièrement à la santé des populations parce qu'on a constaté des cas de maladies qui habituellement n'existaient pas dans la localité. C'est des cas d'avortement, des enfants qui tombent malades. Selon lui, les risques environnementaux sont aussi considérables et impactent sur les activités quotidiennes du village. Sur l'environnement, on a constaté aussi eh, les produits exploités là-bas, les produits agricoles du moins, donc commencent à changer de couleur. Les feuilles des arbres aussi commencent à changer de couleur. En ce qui concerne l'agriculture, pratiquement ça devient impossible. Ceux qui avaient déployé là-bas, maintenant n'ont plus la possibilité de le faire parce qu'à 15 jours ou bien 20, jours, on constate que les poulets donc, euh, tombent malades et décèdent. Ainsi, il interpelle le ministre de l'Environnement pour le retrait de l'autorisation et le démantèlement immédiat de cette société. Depuis l'installation du nouveau gouvernement, donc on a saisi le ministre en charge de l'Environnement. Lui demandons donc de venir faire une visite dans cette localité ou bien d'envoyer des experts en la matière pour pouvoir constater le danger qui se trouve là-bas et pouvoir prendre des, décisions, c'est-à-dire la fermeture de l'usine, et mieux encore pour la population, le démantèlement ou bien la délocalisation de l'usine. La RTP a organisé deux journées de concertation sur la régulation des communications électroniques sous le thème La réglementation, euh, pilier juridique de développement euh, numérique à l'occasion euh, de la cérémonie d'ouverture. Les acteurs de la transition numérique ont plaidé pour une amélioration de la gouvernance du numérique pour libérer euh, pleinement le potentiel euh, social et économique des technologies de l'information et de la communication. Un compte rendu signé Mansour L'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP a organisé les 8 et 9 août 2024 sur la régulation des communications électroniques. Ces journées visent à renforcer la concurrence, soutenir les investissements dans les réseaux et adapter la réglementation au développement de l'économie numérique dans un cadre de régulation en constante évolution. Dès ma prise de fonction, j'ai entamé auprès des acteurs régulés des visites et rencontres afin de recueillir et de prendre le pouls du secteur des communications électroniques. Très rapidement, il est sorti de ces rencontres la nécessité d'organiser un cadre de discussion et d'échange afin qu'ensemble nous puissions dégager une feuille de route pour la régulation du secteur des communications électroniques. La mission assignée à l'ARTP et notamment de veiller à l'équilibre du secteur ainsi qu'au respect de la réglementation. Maître Massornakan a interpellé la tutelle sur la nécessité de renforcer l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Selon lui, l'ARTP n'est pas actuellement assez forte et autonome pour faire face aux grands acteurs du marché. Euh, le régulateur doit être un régulateur très fort. Et il ne l'est pas pour le moment, Monsieur le ministre. Et ça, nous le plaidons depuis très longtemps. Nous avons besoin que le régulateur ait des pouvoirs réels et ait une indépendance réelle surtout, qu'il y ait une loi communautaire qui harmonise la régulation. Je dis que ce secteur concerne tout le monde, nous sommes tous concernés. C'est pourquoi nous plaidons, nous, associations de défense de consommateurs, nous avons toujours plaidé pour qu'on renforce les pouvoirs et l'indépendance du régulateur. Pour le ministre, une régulation collaborative appropriée du secteur numérique permettra de garantir une régularisation tarifière. L'utilisation responsable du numérique requiert un encadrement juridique rigoureux et à la mesure de nos aspirations dans un cadre concerté impliquant toutes les parties prenantes. Par ailleurs, même si les marchés des communications électroniques sont libéralisés, une régulation appropriée permettrait de garantir des services de qualité à des tarifs soutenables pour les populations. Durant ces deux journées de concertation, l'objectif sera de favoriser un dialogue constructif entre les participants pour identifier et lever les résistances du marché, formuler des recommandations, formuler des recommandations concrètes. Puis euh, l'association des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal, membre de l'organisation euh, mondial du mouvement scout organise un grand rassemblement euh, dénommé Convergence 2024. Le thème de cette année Jeunesse et scoutisme pour un monde de paix et d'inclusion. Plus de 2000 jeunes filles et garçons venus de tous les coins du pays et de la sous-région y prennent part du 5 au 12 août 2024 euh, à Dakar. Un compte rendu signé Mansour L'association des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal a organisé dans le cadre de ses activités de vacances un camp de scoutisme réunissant plus de 2000 jeunes filles et garçons du Sénégal et de la sous-région. À cet effet, il est organisé un forum des jeunes visant à soutenir le processus de développement de la participation citoyenne et de mettre le jeune au centre de son propre développement. La convergence 2024, euh, euh, où vous avez 2000 euh, jeunes euh, de notre association et des autres mouvements de jeunesse qui se retrouvent ici à Dakar pour converger et démontrer euh, que les jeunes ont un rôle et une place très importante dans la transformation positive de euh, notre société. Le Forum de la jeunesse est une occasion de faire un diagnostic profond des problèmes de la jeunesse et de formuler des recommandations qui soient opérationnelles avant de passer à la mise en œuvre effective selon le représentant du ministère de tutelle chargé de tout ce qui est jeunesse, a toujours accompagné les organisations de la jeunesse. Euh, nous avons toujours travaillé en parfaite intelligence avec les mouvements de jeunesse, avec le Conseil de la jeunesse, mais aussi avec toutes les autres organisations de jeunesse qui font des propositions et qui sont toujours invitées pour euh, la prise de décision. Ces jeunes participants dit beaucoup à prendre de cette rencontre et appellent à plus de responsabilités. Euh, à travers le scoutisme, j'ai pu développer des compétences de communication, de leadership, mais également d'engagement communautaire. Je fais appel à mes pères jeunes afin qu'ils soient plus actifs, plus engagés, parce que la société sénégalaise a besoin d'eux et que c'est à nous, jeunes sénégalaises, qui a le droit et qui a le devoir même de changer la situation et la donne. Le forum va se terminer avec des ateliers d'échange entre jeunes et anciens pour mieux conscientiser les participants. Parlons santé pour accorder une attention particulière liée à la vulnérabilité des femmes, le Conseil national de lutte contre le sida avec l'aide de ses partenaires a lancé euh, mercredi un outil d'évaluation qui vise à rehausser des stratégies efficaces aux besoins de cette couche sociale vulnérable. Khadi Fall euh, nous a fait l'économie. Euh, sont généralement euh, euh, des, facteurs qui exposent à des inégalités qui font que les femmes sont souvent vulnérables au VIH-Sida. Donc analyser tous ces aspects-là pour pouvoir y répondre. C'est une étape. Nous savons que l'impact de cette maladie ne se répartit pas également entre les sexes. Les femmes en particulier font face à des obstacles uniques il nécessite une attention, une action spécifique. Nous sommes conscients que pour vaincre cette épidémie, nous devons connaître et aborder les inégalités de genre qui contribuent à la vulnérabilité au VIH et entravent l'accès aux soins. Il est très important d'accorder une attention particulière à la vulnérabilité liée au genre en vue de développer des stratégies de lutte efficaces répondant aux besoins différenciés des catégories de genre. Depuis 2010, beaucoup d'efforts ont été faits pour prendre en compte la dimension genre dans les politiques et programmes VIH au Sénégal, afin de réduire au mieux la vulnérabilité. Mais malgré ces avancées, il faut reconnaître quand même qu'il euh, y a toujours des défis à relever. Je vous l'annoncer en titre pour apporter leur soutien à Omar Silla, plus connu sous le nom de Fonike euh, Menge et Momodou Biloba, qui sont deux responsables de la société euh, civile guinéenne et membres du Front national pour la défense de la Constitution. Incarcérés en Guinée euh, et sans nouvelles, le mouvement euh, Tournons la page, Session Sénégal a organisé une conférence de presse ce vendredi pour exiger un signe de vie ainsi que leur libération. Bernard Diouf, membre de la société civile en français, écoutons ses propos recueillis par Kradifal. Aujourd'hui, nous, acteurs de la société civile sénégalaise, prenons la parole pour exprimer notre profonde préoccupation et notre vive indignation face à la disparition inquiétante de nos confrères guinéens Founike Mengue et Bill Loba, tous deux membres du Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC en Guinée. Depuis le 9 juillet dernier, soit un mois déjà, ces deux leaders engagés pour la démocratie et les droits humains ont disparu sans laisser de traces. Un acte que nous qualifions sans hésitation de kidnapping. Cette situation est alarmante et inadmissible. La disparition de Founike Mengue et de Biloba représente une menace directe contre les voix libres et courageuses qui, au péril de leur vie, défendent la liberté et la justice en Guinée. C'est pourquoi, en tant que membre de la société civile sénégalaise, nous tenons à exprimer notre entière solidarité avec les familles de Founike Mengue et de Biloba, leurs proches collaborateurs, leurs amis, ainsi qu'avec tous ceux qui luttent inlassablement pour la protection des droits humains en Afrique. Nous partageons leurs douleurs et leurs angoisses et nous nous engageons à soutenir leur quête de vérité et de justice. Nous demandons aux autorités guinéennes de fournir une preuve de vie de ces deux activistes. Passons aux actualités hors de nos frontières. Et puis, Yahya Sinoir, le cerveau des attentats euh, du 7 octobre, et le nouveau dirigeant du Hamas après l'assassinat euh, d'Ismaël la semaine dernière au Téhéran. Une annonce faite ce mardi. Euh, à travers un communiqué du groupe euh, militaire, le choix radical de Yahya euh, Snawar risque de reconfigurer les négociations déjà entamées entre le mouvement du Hamas et Israël, selon le professeur Babakar Samb, l'ancien ambassadeur, craint une escalade militaire entre les États concernés par cette guerre du Proche-Orient. L'expert sur les questions arabes est joint par Fatoumata Sey. Je pense que l'assassinat d'Ismaël Haniyeh à Téhéran même, bon, d'abord c'est un affront pour euh, l'Iran, <clears throat> qui pour lui, vraiment, c'est une déclaration de guerre d'Israël et rien ne peut l'empêcher de répliquer très sévèrement, voire euh, d'administrer une, punition exemplaire à Israël, selon donc les déclarations de l'Iran. Quant à remplacement de Haniyeh par un autre chef de Hamas, parce que le Ismaël Haniyeh était véritablement quelqu'un plus beaucoup plus modéré mm-hmm. que Yahya euh, Ibrahim Yahya Sinoir, le, le, nouveau chef, qui a passé plus de 22 ans dans, euh, les prisons d'Israël. Et c'est un guerrier, c'est un radical, c'est quelqu'un qui tient euh, les, le, euh, en tout cas toutes les, ficelles pour les négociations, euh, pour en cesser le feu Donc c'est l'homme qui maîtrise vraiment le terrain euh, au niveau de, de Gaza. Mhm. Les Américains le savent, Israël le savent, c'est pourquoi Israël a essayé de l'assassiner plusieurs fois. Mhm. Il a même déclaré il y a une, euh, deux semaines qu'il avait euh, éliminé Sinoir, alors que Sinoir est toujours en vie. Mhm. La deuxième chose, c'est l'élimination de Fouad Choukri également, le bras droit de Hassan Nasrallah de Hezbollah au Liban, ce qui fait que la situation aujourd'hui est devenue très euh, compliqué parce que tout le monde s'attendait à ce que ça soit Khaled Meshal mhm. qui serait nommé comme euh, le numéro un des Hamas, mais je crois que l'organisation a choisi noir pour continuer la résistance et ne pas céder euh, donc aux exigences d'Israël pour l'ouverture des négociations. Et puis après une première euh, rumeur, parlons sport, autour de sa mort, la mauvaise euh, nouvelle est désormais officielle. Euh, Issa Ayasu est décédé à l'âge de 77 ans, figure incontournable du football. africain, le président de la confédération excusez-moi, africaine de football pendant près de 30 ans. Il personnifia à lui seul la CAF jusqu'en 2017 où il a eu une défaite surprise face au Malgache Amat Amat. Mam pour plus de détails. Ayato a rendu l'âme ce jeudi 7 août 2024 à Paris suite à une longue maladie. Figure incontournable du football africain pendant des décennies, l'ancien dirigeant de la CAF est décédé à l'âge de 77 ans. Ce pur produit du sport, né le 9 août 1946 à Garoua, dans le nord du Cameroun, aura consacré une grande partie de sa vie au foot africain. Président de la Confédération africaine de football pendant près de 30 ans, il a dirigé la CAF de 1988 jusqu'en 2017. C'est ainsi qu'il a été le président par intérim de la FIFA de 2015 à février 2016. Avant d'embrasser une carrière de dirigeant de football, il a commencé par tâter l'athlétisme et devient champion du Cameroun sur 400 et 800 mètres, participant même au tout premier jeu africain de l'histoire de Brazzaville en 1965. Parallèlement, il est membre de l'équipe nationale camerounaise de basketball et internationale universitaire de football en 1964 et 1971. des sports deviendra professeur d'éducation physique et sportive à Yaoundé, mais n'exercera ce métier qu'une seule année. En 1974, il devient en effet secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Commence alors une ascension vers les sommets du football camerounais, puisqu'il est d'abord nommé en 1982 directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ensuite, il devient en 1984 vice-président de la Fédération camerounaise de football, et fini président de FECAFOOT deux ans plus tard, en même temps qu'il est membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Il s'en va un jour de fête pour le football africain avec la médaille de bronze du Maroc face à l'Égypte aux Olympiques. Coupe du Sénégal de basketball, les deux finalistes de la Coupe du Sénégal, Homme Wai Basket Academy et l'AS Douane, sont fin prêts. Les entraîneurs et les capitaines euh, de ces deux équipes respectives ont tenu une conférence d'avant-match ce vendredi 9 août 2024. Très enthousiaste et lance un appel solennel aux supporters à venir massivement les encourager. Encourager surtout les joueurs dans le fair play de Boubacar euh, nous avons une équipe euh, beaucoup, très ambitieuse, une équipe qui a qui a vraiment mérité cet ainsi de venir à cette finale. Donc nous la préparons très bien avec euh, les jeux que nous avons, comme d'habitude, comme nous faisons d'habitude. D'abord sur le plan psychologique et sur le plan tactique et technique. On est vraiment bien, on attend que la finale de demain pour pouvoir au moins s'exprimer et au moins remporter une coupe cette année-ci. Euh, un, bon état d'esprit, il n'y a pas de problème. On est là, ça va, ça se passe bien. Euh, malgré que certains ainsi, notre n'a pas été atteint, mais vraiment ça, mais, mais ça se passe très bien. Toute de la douane, d'abord, c'est d'abord euh, la continuité que nous avons depuis 11 ans, que nous sommes là, de gagner, de participer dans toutes les finales, par rapport elle qui vient d'arriver cette année-ci, euh, qui, a, qui à sa deuxième finale. Donc, normalement, si on parle, c'est la douane qui est favorite, donc normalement, donc, on, on, se prépare régulièrement pour ça, donc il n'y a aucun problème pour ça, ça va. Moi, je pense que la pression actuellement, si elle n'est pas partagée, ça doit se trouver du, euh, bon, au camp de, de la douane Nous, on n'est pas en finale de la Coupe du Sénégal par hasard. Notre parcours dans ce championnat. Et bon, bon, avec euh, beaucoup de modestie, hein, ça n'a pas du tout été évident ni ni, euh, bon. On s'est beaucoup bagarré on mérite notre place dans cette finale-là. C'est ça que je dis à mes jeunes, vous n'êtes pas ici par hasard. Donc vu qu'on a fait deux finales cette année, qu'on s'est qualifié en play cette année pour, pour juste une première, je pense que notre objectif a été atteint depuis. Bonne chance à ces deux finalistes. Mesdames et messieurs, c'est tellement qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir euh, suivi. Nos remerciements à toute l'équipe euh, technique ainsi qu'à toute la rédaction de Global Télévision. Bonne suite des programmes sur euh, Global Télévision et bonne fin.